c'est Boubacar Diop et je suis un simple militant de PASTEF. Ce qu'on peut retenir pour le moment c'est que euh, le candidat Ousmane Sow a été choisi pour représenter PASTEF euh, comme tête de liste aussi pour les candidatures de, de, de maire au niveau de la commune de Bambilor. C'est un choix difficile et pas difficile parce que ce qui est important au niveau de PASTEF, ce n'est pas les personnes. Le projet de PASTEF, c'est un projet impersonnel. Donc notre objectif, c'est de changer la manière dont la commune est gérée. Notre objectif, c'est d'apporter une autre politique, une alternative à la politique actuelle qui repose seulement sur le caractère intuitif personnel des, gens. Donc, c'est ce qui a fait que le choix au niveau de PASSEF n'a pas été difficile. Parce que le projet dépasse nos personnalités, le projet dépasse notre ego. C'est pourquoi le choix n'a pas été difficile parce qu'on s'est basé sur l'esprit de Pastef, qui est le don de soi pour la patrie. Euh, ils étaient trois. Donc, euh, euh, après avoir parlé, après avoir fait un consensus, le choix s'est porté sur la, personne d'Ousmane Sow. Mais encore une fois, au niveau de PASTEF, notre objectif, c'est de mettre l'esprit d'équipe en avant. C'est d'avoir un projet de société pour changer la face de ce village-là. Ousmane Dougissao, c'est un patriote, c'est un natif du village. C'est quelqu'un qui œuvre sur le plan social, sur le plan économique, qui soutient son village, qui soutient les, religieux, qui soutient les mosquées. Donc c'est un homme qui a euh, une envergure sociale importante, mais aussi c'est un patriote. Et ça résume tout. Être patriote, c'est s'engager pour son village, investir pour son village et essayer de drainer le maximum de personnes pour qu'ils viennent adhérer à ce projet-là. Et au niveau de PASTEF, donc, euh, on a un leader parce que au niveau de PASTEF même, tout ce qui achète la carte adhère l'esprit du parti et en tant que tel un leader. Donc ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qu'on met en avant pour qu'il puisse, mettre en, pour qu'il puisse concrétiser le projet de PASTEF. Le projet premier pour PASTEF, d'abord avant de venir au projet, nous devons voir d'abord parler de la vision de PASTEF. La vision de PASTEF au niveau de la commune de Bambilor, c'est de donner la décentralisation en tant que telle, qui est le fait que l'administration parce qu'il y a un adage qui dit on peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près. Et l'objectif de la décentralisation, c'est à travers le principe de subsidiarité, de faire de telle sorte que comment on peut rassembler les compétences, les, ressources personnelles du village pour résoudre les problèmes de ce village-là. Donc notre projet, en tant que tel, il est en phase de conception. Il est en phase de conception, nous sommes très avancés. Nous avons monté un, un comité scientifique qui, déjà, qui réfléchit déjà sur tous ces aspects-là. Parce qu'on veut faire de la vraie politique. Parce que ce qui se passe actuellement dans le village, ce n'est pas de la politique. Ce sont des personnes, des candidats qu'on nous vend. Nous, au niveau de PASSEF, on s'est dit, on ne vend pas un candidat, mais on vend un projet de société, un projet politique. Nous travaillons avec des gens qui sont très compétents. Et nous avons retenu tous les domaines de compétences sur lesquels on va faire des études, on va proposer un programme, on va proposer une vision, on va procéder l'idéal de PASTEF pour vraiment faire de la politique, redorer à la politique son lustre d'antan. En fait, il faut aussi qu'on ait une autre dimension d'aborder les questions. La question, ce n'est pas Ousmane Rougissau contre Nganjob, c'est important, c'est une question de leadership qui se pose, mais la question la plus importante, ce qui est plus important et primordial, c'est la manière de gérer actuellement la société et l'alternative qu'on apporte. apporte. C'est ça, ça qui est important. Donc nous, on a une alternative, on a des solutions, on a un programme, nous avons des projets, nous avons un plan pour agir par rapport à ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation d'urgence. On est dans une situation où ce qui se passe actuellement dans les villages, c'est catastrophique n'importe quel secteur d'activité que vous prenez, n'importe quel secteur économique que vous prenez, n'importe quel secteur social que vous prenez, tous les secteurs, tous les secteurs économiques, à partir du secteur primaire, du secteur secondaire, du secteur tertiaire, tous ces secteurs-là, et dans, chaque secteur, euh, il y a une compétence de la commune euh, qui, qui est insérée dessus, et ces secteurs-là sont tous dans le chaos. Donc, ce qui est important, la question que les gens doivent se poser, c'est quelle est l'alternative quelle est l'alternative Il faut dépersonnaliser la, politique. Demander à Nganjob s'il a un programme, s'il a une vision. En ce moment, on, était, on devait être à la phase d'évaluer la politique. Parce qu'à un certain moment donné, ils ont eu un budget qu'ils ont zéré pendant des années. Maintenant, c'est la population de se poser la question-là. Quel est l'impact de cette gestion-là sur nos conditions de vie Et si on regarde très bien, il n'y a aucun impact aucun impact, je dis, dans tous les secteurs, une évolution positive. Ceux qui connaissent le village, ceux qui connaissent le village, euh, il y a 20 ans euh, en arrière, la qualité de vie du village, c'était un village vert. Il avait une identité territoriale. il fait partie de la zone des Niaï. Et tous ces secteurs-là, ils n'ont pas été favorisés. Et ces secteurs-là sont dans le chaos. Nous, sommes, dans une ville dortoir, une, ville une commune dortoir. C'est-à-dire les gens, ils dorment ici, ils travaillent autre part. Une commune comme ça ne fonctionne pas. Et nous, nous avons les alternatives, nous avons les solutions et nous avons les proposer aux, populations. Nous avons proposé une situation, une équipe, nous avons proposé aux populations un leader pour changer la face de ce village-là. Les cautions, en fait, nous, on est dans un, dans un état où les, les, les grands, ils essaient de piétiner ceux qui sont au-dessus. C'est-à-dire, on veut nous vendre un état ou bien une, société dans laquelle, si tu n'as pas d'argent, tu ne, peux pas fonctionner. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire la politique. Mais l'engagement patriotique dépasse 10 millions. L'engagement patriotique dépasse 10 millions. Nous, nous pouvons mobiliser nos forces patriotiques pour pouvoir payer cette caution-là. Mais ce n'est pas la question qui se pose. C'est comme l'a dit mon prédécesseur Moustapha Sek. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces 10 millions Oh, Quels sont les critères qui ont été à la base de ça C'est quelque chose d'injustice. Et l'injustice, nous le vivons au quotidien au Sénégal. Ça, c'est une injustice politique sur laquelle il faudra réfléchir pour, en fait, redonner à la décentralisation son, le, principe, son sens étymologique, c'est-à-dire permettre à la population, permettre aux gens qui sont au niveau des localités les plus reculées de voir participer à la gestion de la collectivité. Nous, notre objectif, c'est de permettre aux populations d'être plus actives, de savoir que la commune qui est là, c'est leur commune. Ils ont une obligation. Ils ont une obligation de résultat. Ils ont une obligation de transparence. Ils ont, ils ont plusieurs obligations envers la population. Allez-y au niveau de la mairie. Il, il suffit juste d'entrer. Tu sais qu'ici, il n'y a pas de la transparence. Parce que l'acte la, loi sur la décentralisation les oblige de publier toutes les délibérations qu'ils font au niveau du foncier, toutes les délibérations qu'ils font à tous les points de vue. Mais ça, ça n'existe pas. Et ça, c'est la base du développement. C'est ce qu'il faut mettre sur place et de redonner à la population, montrer à tous les gens qui sont sur place, qui sont importants pour la société, qui doivent participer sur la société et ne pas reposer leur avenir sur une personne

muy waajal woote gox goxaat yi parce que nag depuis teg mu ngi ci doon di waaj tànn profit bu baax pour commune de Bambilor kii loolu ci lañ nekkoon di liggéey ba toll ci war koo publier askan wi ñu xam ne ki ñu tànn kii la loolu moo war a daje bi mën naa ne waaw gannaaw bu ñu loolu waxtaan ci ay réunion yu bari ci ak panel ak ay bureau yu bari décision bi mujj am ak consensus bi mujj am mooy ñetti candidat lañu amoon Eh, amoon nañ ku ñuy tuddee Abdou Khader Djili nekk Gorom 2 amoon nañ Bouba Diop nekkoon fi Bambilor ak Ousmane Rougui Sow nekkoon Bambilor ci diggante ñetti ñu ne bi ñu amee waxtaanee ba déggoo fi ñu mujj dégg mooy Ousmane Rougui Sow lañ tànn comme candidat Pastef comme Bambilor ci local yi waaw Ousmane Rougui Sow de fi la dëkk Ndiassane Bambilor waaye bu ñu taxawoon Ousmane Rougui Sow Ndiassane rek yaakaar naa waxuma Ndiassane mais Bambilor ñëpp ëpp mën nañ koo xam li tax ñu koy xam tamit dafa nekk ci dëkk bi di jëriñ waa dëkk bi li wolof naa dëkk ci dëkk bi jëriñ waa dëkk bi moo ëpp solo dëkk na ci dëkk bi nekk doomu dëkk bi en même temps jëriñ waa dëkk bi ci dooleem ak ci moyem ak ci xam-xamam ak ci jëmmam loolu moo waral bi ñuy choisir profil askan wi ci boppam ñu ëpp décision bi ci ñoom la jógee ndax booy tànn profil du caage diminique ngay xool mais askan wi nga xam ne ñooy xool kan moo gën ci ñoom ci noonu lañu choisir fii la dëkk nag mi Bambilor di fi yeewoo di liggéey si fii Dakar en tout cas bu fekkoon dañuy wax ne woote gox goxaat lépp solo mooy jege askan jëriñ askan wi damay faral di ko wax jege sa askan di leen jëriñ dañ ko jox xamoon démb te politique ut donte na ay politiciens ànd na fekk ku mel ni jóg kere bi mu posé bi waxee ne bokk na Pastef ñu ba dañoo def fekk ko këram na ko xamakan ne doo bokk ci politique bi da nga yàq carte gi te ñi ko ko wax xam ne ñoom moom ñoo bokk terrain bi kon ñoom xam nañ li xew benn deuxième bi mooy ku yàgg wu yëngu ci social comme ni ko ñu bëri di waxee bari ay jàkka ki jumaa loxo mu fa bari ci wàllu école loxo mu fa na ci dëkk bi ñaa seen doom ñu ngi jàng sa wàllu njàng mu ko gàddu ci di fay te ñun xam nañ ko mais ñu bëri xam parce que li tax ñu bëri xamuñu ko ñu ko day def social te siiwal ko te bëggul ko ko siiwal loolu benn la ci ñaareel bi mooy dëkk bi di doon koo xam ne day liggéey ci dëkk bi waxuma social yem ci mais tey am na ci yenn ñoo xam ne mu ngi koy taxawee askan wi ñoo xam ne tey bëggul ñu tudd ko moom bëggul ko tudd après quoi te loolu ci mën ko dugal ko sax mais mën ko dugal côté social léegi bi tax ma jógee ci politique Ousmane ñu bëri sawar pour ànd ak moom man mun naa ne engagement moo tax mais mun naa ne jëmmam moo tax mais mun naa ne bëgg dëkkam bi moo tax li tax moo ko mooy wax naa ko sànq biñ ne Ousmane Rougui Sow ñu ne candidat am na ci APR ñoo xam te ñu ngi may dégg xam ne bu baax li may wax dañ ne ko ba leen ko am am ngeen candidat sam noonu bu lay seedal ndax baax na wala baaxul suñu noonu ñoo ñuy seedal ba ci ñoom am ñoo xam ne ñu ngi fekk buntu pour dugg ci biir Pastef kon loolu mën nañ koy war ñu am nañ candidat boo xam doy nañu sëkk pour ñu liggéeyal Bambilor bi ñun ñoo koy liggéey programme mu Pastef Pastef ñoo koy liggéey dañ ni maanaam local la ñuy jëm te local dafa am neuf compétence yoo xam ne mairie bi daf ko am compétence yi dañuy wàcc ci base bi xool responsable civil yi comme xool village yi fi nekk yan problème yi am ci wàllu santé yan problème am ci wàllu sport yan problème am ci wàllu assainissement su ko defee neuf compétence ñu xam lan la ci mairie bu war a taxaw ñoom ñu am na benn comité scientifique boo xam ñooy liggéey ci loolu wàcc sur les bases kon bëgguñu dig askan loo xam ne nekk suñu compétent moo tax li nga xam ne moom suñu compétent am na comité boo xam ñooy jàkkaarloo moom dafa simple mais jàmmaarloo parce que xam ne ñoom lu leen jaral lu ëpp jaral nañu ko mais lépp lu mu leen jaral bu leen xam nañ ko moom lépp mu laaj ci moyen dañ ko def lépp lu mu laaj ci vee joxe suñu tax dañ ko jox loolu par nañ ci après muy ngañ jëw muy ko suwa li may wax nag ñu baal ma li ma naam puuj ak paj ku mën dañ ci ñom ak ñine ñi am ñu ci gannaaw parce que du ngañ jëw il faut ñu leeral mbir du ngañ jëw rek moo fi nek amna ñu wax ñu ngi làqoo ay mouvement ta xamni amna ay ministère yu nekk seen gannaaw loolu amna ci ñu am ay part lañ aussi comme ñun mais par nañ ñi nga xamni nak ñom ñoom seen loxo seet nañ ñu paré pour liggéey ak parce que ñun ñoo bokk ñoom bokk teel bi incha allah mais ngañ moom euh, dafuñu problème inshallah allah caution bi nga xam ne lay wara déposer bu fekkee caution candidature bi la moom parti bi moo jël engagement képp koo xam ne candidat mooy joxe sa caution mooy des nag financement yi nga xamante ni yaa ko war a def pour sa local pour def sa campagne loolu ñun ñoo koy engagé suñu bopp waaw ndax jaadu na ci jamono bu toll ni réew mi dafa corona dafa inondation lu nekk ñu wax ci réew mi après quoi est ce que jaadu na ñuy laaj ci lu mel noonu da ngaa bëgg nañu ñu dugg ci ay lobby ay franc-maçon li président Ousmane Sonko laaj nañ teg askan lu ñu man loo xam ne jaadu na quoi loolu dugal na ñu bëri ci politique boo xam ne jaadul quoi bu ñu ko laajee nag président lépp lu ñu ko askan jar na leen ëpp loolu mais est-ce que jaadu na ma dellu la question bi euh, am nga question boo laaj bu ma neex nag alhamdulilah li tax mooy dëgg la rumeur sax du ñàkk coow mënta ñàkk ndax kër sax lu mu neex dina am yëngatu rawatina kër goo xam ne ñu différent ñoo fa nekk ku nekk jógee ci ab gox ñëw fekk si ma mais alhamdulilah lépp ci waxtaan la xam nga li ëpp ci solo ci parti mooy consensus déggu bi nga am fii moo tax boo taxaw askan nga am doole pouvoir bu lay mën a jàlle yàlla dimbal nañ ci loolu nag frustration la xëy na mënut a ñàkk mais nag frustration bu ñu mën a wax ñun amul ci biir Pastef fii au niveau amul fi parce que yi fi amoon démb kër Ousmane Guissou dafa am ngànta tey ba mënul teew moo tax ci kàddum am ay loxoom ñi ñu bëri xam nañ ko nekk fa ba ay 22 heures d'ailleurs suñu lépp ba kàddu yi ma jës ci moom laa ko jëlee ba ki war a wax ci version français bi sax lépp dañ ci waxtaan ba déggoo ci ko alhamdulilah ñun bu amee ñuy seet na pour Pastef xaajaloo ñoom ñoom ñooy xaajaloo incha allah